17 octobre 2023, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Niger sur Kalangu. Moi, c'est Fanta Chamsou et ce matin, je suis en compagnie de Rekia Arimi. Bonjour Rakia, comment tu vas Je vais bien Fanta. On fait un coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Rahila Tousmana et Khadija Isaka à l'édition et Seni Isaka à la technique. Sans oublier toute l'équipe rédactionnelle. Alors Fanta, quel est le programme du jour ce matin, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur la santé, la chronique Lotti et des reportages en région. Aujourd'hui, nous irons à Agadez pour parler de l'accouchement à domicile, une pratique qui préoccupe les agents de santé. Le Niger Selkarankou, c'est surtout 100% de musique nigérienne. Il y aura aussi l'entretien avec l'invité du jour. En effet, dans cette partie, nous aurons un aperçu de la situation de la malnutrition et puis bien d'autres aspects de l'alimentation au Niger avec Jean-Noël Gentil, le directeur et représentant du programme alimentaire mondial PAM au Niger. Il sera interrogé par Ousmane Mamoudou à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation célébrée hier. Installez-vous bien car c'est parti pour 60 minutes d'infos et de musique. Fanta, sans trop tarder, voici le flash d'information présenté ce matin par Rukaita Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Rakia, bonjour Fanta, bonjour, fidèles auditeurs. Commençons ce flash avec du sport après sa victoire contre la Somalie 3 à 0 le samedi 14 octobre 2023. Le MENA A, l'équipe nationale de football, affrontera ce soir l'équipe de la Libye. La rencontre se fera au Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un autre tour sur un tout autre plan, à Tilaberi, les forces de défense nigériennes triomphent en écrasant 31 terroristes dans une attaque vers Lambou à Terra. Du dimanche 15 au lundi 16 octobre 2023, les FDS nigériennes engagées dans l'opération NIA ont fait preuve d'un courage exemplaire lors d'accrochages intenses avec des troupes terroristes dans la zone de Lambou située à 50 km au nord-ouest de Terra région de Tilaberi. Le ministre de la Défense nationale a publié un communiqué le lundi 16 octobre révélant les détails de cette opération au cours de laquelle les forces de défense et de sécurité ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi avec 31 terroristes abattus et du matériel récupéré. Cependant, six militaires ont été tués selon le journal en ligne Actu Niger. Enfin, l'Agence nigérienne de régulation du secteur pharmaceutique, dans un communiqué en date du 16 octobre 2023, annonce la suspension d'un produit, la spécialité amoxiclave Denk 1125 poudres pour suspension orale, selon la selon l'ANP. RP, c'est le laboratoire d'Enka Pharma qui leur a notifié l'information. De ce fait, l'Agence nigérienne de régulation du secteur pharmaceutique demande à ceux en possession de produits de suspendre son utilisation et surtout pour ce flash d'informations. Merci, beaucoup, Rukaya et bonne journée à toi. Hier, 16 euh, octobre, c'était la journée mondiale de l'alimentation commémorée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, date de sa propre création en 1945. Et c'est pourquoi ce matin, dans la partie entretien, Jean-Noël Gentil, le directeur et représentant du programme alimentaire mondial PAM au Niger, nous donnera un aperçu de la situation de la malnutrition et de l'alimentation en général au Niger. Fanta et nous allons d'abord écouter Goro de Abdou Tambarion. Maman alias Abdou Tambalio est très engagé dans la musique nigérienne. Il a commencé la musique alors qu'il était au collège. C'était avec un de ses amis qui venait avec son gourmi, guitare traditionnelle, à l'école. Il joue son gourmi et au chanté. Son parcours musical commence à Zenderwe, où il a intégré le groupe musical Dame Il a brillé dans ce groupe au sein duquel il est devenu le principal chanteur à langue Longtemps après, Abdourahman et ses amis, dont Fessania Boussa, ont créé le groupe musical le plus célèbre de la région, le Super Husky. Et an après, Tambalio quitte et rejoint le groupe Karfi Band de Mam Barka à Maria, qui devient après Jagaraya Band où Tambalio devient le chef de groupe. Abdou Tambalio fait partie des artistes qui ont porté au-delà de nos frontières le, Niger, le nom de notre pays, le Niger. c'était Abdou Tambaliok avec le titre Bob Bangoro. Je vous propose à présent de suivre la première partie de l'entretien du jour avec Jean-Noël Gentil, le directeur représentant du programme alimentaire mondial PAM au Niger. C'est à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Dans cette interview qu'il a accordée au studio Kalango, il nous donne un aperçu de la situation de l'alimentation et de la malnutrition au Niger. Il est au micro de Ousmane Mahmoud. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation est axée autour de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette thématique-là et euh, c'est quoi l'intérêt Effectivement, cette année, la journée mondiale de l'alimentation euh, tourne autour de l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit. Je dirais que c'est un sujet omniprésent, un sujet récurrent et euh, c'est particulièrement important euh, cette année dans un contexte effectivement euh, d'impact des changements climatiques. Et si on l'applique au contexte du Niger, on voit bien à quel point un pays qui fait face à des stress hydriques aussi importants qu'au Niger, cette thématique est particulièrement importante. Quel est l'appui du PAM justement pour une sécurité alimentaire au Niger Le PAM a un objectif double au Niger, bien sûr, sauver des vies à travers des réponses d'urgence mais également euh, contribuer euh, à une sécurité alimentaire durable à travers des interventions de développement. Et je dirais que c'est quelque chose qui va au-delà du cadre euh, des priorités du PAM. Nous nous insérons dans une priorité nationale, à travers des stratégies nationales, nous travaillons avec des partenaires pour justement construire cette sécurité alimentaire à travers de nouvelles approches, comme par exemple celle des systèmes alimentaires intégrés qui regarde à toute la chaîne de valeur pour que les interventions soient durables, résilientes et que surtout elles ne laissent personne euh, derrière, qu'elles ne laissent personne pour compte. Ça ne vous a pas échappé, la situation sécuritaire au Niger a fait que les frontières sont fermées et vous avez des tonnes de produits bloqué au niveau du Bénin, si je ne me trompe. Est-ce que vous ne craignez pas une situation difficile euh, dans un futur proche La situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle euh, était déjà difficile avant la crise politique. En 2022, nous avons fait face au Niger à une crise alimentaire sans précédent avec 4,4 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë. Cette année, selon les chiffres du crâne harmonisé, 3,3 euh, millions de personnes étaient également en insécurité alimentaire aiguë pour la saison de soudure 2023. Donc effectivement, la nouvelle situation avec la crise politique, les sanctions, la fermeture des frontières compliquent considérablement la capacité à mettre en place des opérations, qu'elles soient humanitaires ou qu'elles soient de développement. Donc oui, nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation d'insécurité alimentaire grandissante et de détérioration de la situation nutritionnelle des enfants. Déjà en septembre 2023, ce sont 83 000 enfants que nous n'avons pas pu euh, assister dans le cadre du traitement de la malnutrition par manque d'intrants euh, nutritionnels qui étaient bloqués soit au Bénin, soit au Togo. Et euh, en octobre, ce seront 160 60 000 enfants malnutris qui ne pourront pas être assistés si ces denrées n'arrivent pas dans les prochains jours. Le monde agricole, malheureusement, fait face aussi euh, au changement climatique. Comment le PAM accompagne et soutient les producteurs agricoles euh, dans la résilience C'est une intervention concertée, une intervention du PAM avec les partenaires, avec euh, les autorités au niveau central et décentralisé la société civile, bien sûr le point d'entrée des communes, une forte concertation à tous les niveaux, plaçant toujours les communautés, je dirais les populations euh, agropastorales, pastorales au centre euh, des préoccupations de la planification et de la mise en œuvre, et euh, identifier donc les activités appropriées pour renforcer leur résilience face au choc pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes dans un pays où près de 80% de la population vit en milieu rural, dans des zones souvent fragiles et, dégradées et qui dépendent des ressources naturelles pour euh, leurs besoins de base, pour leur alimentation. Donc il est absolument fondamental de travailler euh, avec eux pour euh, améliorer, je dirais, les ressources naturelles d'un côté, ça, ça fait partie de notre paquet d'interventions, intervenir pour restaurer les sols, pour optimiser justement le, peu d'eau qui peut arroser ces environnements mais également travailler également à l'irrigation et euh, développer les moyens d'existence, les cultures et la diversité également alimentaire dans ces zones-là. Compléter cela par des interventions qui donnent un meilleur accès aux services sociaux de base comme l'éducation, euh, la nutrition, travailler sur les chaînes de valeur au-delà de la production, réduire d'abord bien sûr les, pertes post-récolte à travers la transformation alimentaire et donner accès au marché pour ces petits producteurs, notamment euh, les femmes. Ce type d'intervention conduite avec euh, les autorités, avec les autres partenaires, euh, donne vraiment des nouvelles opportunités économiques également aux femmes et, et aux jeunes et on constate une réelle diminution de la vulnérabilité dans ces zones où nous intervenons avec cette approche de résilience. Nous avons constaté par exemple pendant la crise alimentaire sans précédent de 2022 que dans les zones où ce paquet d'intervention résilience était mis en place, les populations n'étaient pas en dans le besoin d'une aide euh, alimentaire euh, d'urgence, alors que les communautés autour qui ne bénéficiaient pas encore de ce type d'intervention ont dû être assistées par de l'assistance alimentaire d'urgence, que ce soit du PAM, des autres partenaires ou du gouvernement. Voilà, donc il faut passer à l'échelle avec ce genre euh, d'intervention. Une nouvelle fois, le PAM n'a rien inventé, je dirais, sur ce genre de stratégie. Nous travaillons à l'opérationnalisation de stratégies existantes, nous travaillons au renforcement de ces stratégies, bien sûr, mais notre stratégie résilience est vraiment ancrée dans la stratégie I3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et donc la question est comment euh, maintenant nous optimisons ce paquet d'interventions et, nous permettons euh, la réduction de la vulnérabilité des populations. On en revient à la thématique de l'eau dont on parlait au début euh, de cette interview. Absolument important d'intervenir sur ce, je dirais, combo entre, d'un côté, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie pour pouvoir accéder à cette eau, l'accès à l'alimentation, l'accès également à un meilleur environnement en général pour améliorer les conditions de vie des populations. C'était Jean-Noël Gentil, le représentant du PAM au Niger au micro de Ousmane Mamoudou. Chers auditeurs, avant de continuer cet entretien, nous allons une fois de plus souffler en musique avec Zabaya du groupe Azna Delader. Yeah. Adelader a été créé en 1970 et dirigé par l'interporel et charismatique Moano. De son vrai nom, Abdoulaye Bouzou fait partie du milieu de la première génération nigérienne d'artistes modernes, un genre justement intitulé Musique moderne nigérienne, aux côtés d'autres musiciennes célèbres comme Ali Jibo, Alajitaya, Maman Garba et Maman Sani Bien que le groupe ait pris de l'importance dans les années 70 et 80, il est resté en grande partie un phénomène local dans la région d'Ottawa. Le groupe Azna Delader de Mona jouait un mélange de musique populaire venue de l'étranger, d'Europe, d'Occident. C'était vraiment des musiciens. après cette belle sonorité continuez avec la deuxième partie de l'interview avec le représentant du PAM, Jean-Noël Gentil, il évoque ici les actions de l'organisation au Niger, notamment dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et le changement climatique. Il est toujours au micro de Ousmane Ouamoudou. Le Niger aussi, c'est un pays euh, qui fait face au changement climatique qui oblige les jeunes à quitter ce pays, à partir de d'autres contrées, seulement parce que les terres sont un peu compliquées, difficiles à cultiver ou qu'il y a aussi des déplacés qui viennent. Est-ce que vous avez une stratégie à l'endroit des jeunes spécifiquement La stratégie euh, dont je vous parle, elle est essentiellement tournée euh, vers euh, les groupes vulnérables en général, mais également s'assurer que euh, les, jeunes, ils trouvent leur compte. Donc offrir des nouvelles alternatives pour les jeunes. On constate dans nos zones d'intervention une diminution très importante, parfois même aucune migration que nous appelons de détresse. Il y a toujours des mouvements de population qui ont toujours existé dans la sous-région, qui font partie, je dirais, du schéma social et économique. Mais cette migration de détresse, obligeant les bras valides à partir beaucoup plus tôt en migration, euh, dans des zones souvent beaucoup plus lointaines et de moins en moins observées dans les zones où nous pouvons offrir des alternatives euh, socio-économiques. Et c'est ce que nous faisons euh, à travers ce type d'intervention. Évidemment, ces interventions sont dessinées d'une certaine façon dans des zones dites stables, pas, pas affectées par l'insécurité, dans les zones plus fragiles avec des, une forte prévalence de personnes déplacées, qu'elles soient réfugiées ou déplacées internes. On a juste ce, ce type d'activité pour assurer une forte cohésion entre les populations déplacées et les populations hautes. Et on constate à quel point euh, ce type d'approche également euh, est bénéfique et contribue à maintenir euh, ces jeunes sur place et, contribue à offrir des alternatives économiques à, ces jeunes. Ça se fait à travers une approche, je dirais, participative à tous les niveaux, y compris les jeunes qui donc nous, nous indiquent quelles sont leurs attentes et on peut voir à quel point on est capable, en mesure d'y répondre, bien sûr, en fonction des ressources disponibles. Alors, vous l'avez souligné au début de l'interview, par rapport à la situation de l'insécurité alimentaire lui et vert, euh, qui atteint 3 millions de de SODU pour 2023, est-ce que vous avez déjà apporté une réponse ou vous êtes en train de réfléchir sur comment adresser cette nouvelle situation. Pour ce qui est de la réponse soudure, euh, nous sommes maintenant en octobre. La réponse, le pic de la réponse soudure, c'est euh, généralement euh, juin, juillet, août, au moins en zone agro-pastorale. La réponse pastorale, c'est avril, mai, juin. Oui, on a apporté une réponse entre le PAM, les autorités, les autres partenaires. Une réponse a été apportée. Malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur souhaitée. La cible était 3,3 millions de personnes. Euh, malheureusement, euh, compte tenu des ressources disponibles, on a dû euh, opérer des réductions drastiques en termes de nombre de bénéficiaires assistés, en termes de durée de l'assistance et en termes de, taille de la ration. la réponse euh, en description gratuite de vivres, mais également nutritionnelle, n'a pas été à la hauteur souhaitée par manque de financement. Également, une partie de la réponse n'a pas été possible par manque d'accès euh, aux populations. Il y a un certain nombre de communes euh, où l'accès humanitaire est difficile et nous n'avons pas pu accéder aux populations. Le PAM a pu assister 1,1 million de personnes sur les 1,5 million que nous ciblions, mais uniquement pendant deux mois avec des rations réduites. La partie relative aux autorités était 1,5 million de personnes pendant les trois mois. Ils n'ont pu faire que 1,5 million de personnes pendant un seul mois d'assistance. Voilà. Donc euh, on s'attend qu'entre cette situation récurrente, voire qui perdure, parce que c'est des populations affectées année après année, plus la nouvelle situation, l'insécurité alimentaire aiguë euh, risque d'augmenter de façon importante euh, dans les prochaines semaines. Au-delà des 3,3 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë sévère, il y avait plus de 7 millions de personnes également une insécurité alimentaire modérée qui pourrait tomber dans une forme d'insécurité alimentaire plus grave euh, compte tenu euh, de la nouvelle situation, en tout cas en situation de nouveau choc. Voilà, d'où notre préoccupation. Dernière question un peu générale, euh, est-ce que vous ne pensez pas que le schéma global pour l'aide alimentaire aujourd'hui au Niger, est-ce qu'il ne doit pas être repensé Je pense que ce schéma euh, ne cesse de se repenser continuellement. Et euh, c'est peut-être aussi la force, euh, je dirais, des, partenaires humanitaires, c'est de constamment repenser le schéma de l'aide, montrer le lien toujours plus fort entre les opérations humanitaires de court terme avec des opérations de plus long terme, dans, le cadre par exemple du nexus humanitaire développement et, le triple nexus humanitaire développement et paix. Donc avoir une approche beaucoup plus ancrée au niveau des communautés, établissant le lien entre une réponse de court terme et une réponse de plus long terme également des assistances sous forme de cash plutôt que sous forme de vivres, qui donne beaucoup plus euh, le choix aux populations sur comment utiliser cette assistance, tout en soutenant l'économie locale. Donc trouver des, synergies entre les différentes approches, l'utilisation des innovations, euh, etc. Donc ensuite, bien sûr, euh, il y a un certain nombre de réformes à faire, ou en tout cas de stratégies sur lesquelles il faut beaucoup plus investir, comme la protection sociale. Le Niger est un des pays où la protection sociale ne couvre qu'une très faible partie de la population, et il faut donc travailler sur ce sujet sujet-là, voir comment développer des modèles euh, qui soient viables et qui permettent d'atteindre les plus vulnérables, de ne laisser personne derrière. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Quant de la rubrique santé d'aujourd'hui, nous allons dans la commune de Timia, de la région d'Agadez, pour parler des maladies les plus fréquentes au centre de santé et intégré de la dite commune. Ce sont surtout des maladies qui sont liées au manque d'hygiène selon le responsable du CSI Sliman Ismail. Il est au micro de Habiba Ahmed. to da laktar wannan wani adilin ma musu turnata da lamsigaci. Turnata tana da sigaci wajen de na mazala. لتل انت لتل ولا سواكي مرة دفرينك اللي أنا تطلع جنس جنت تادس قرص آه، إبسان تكيل نصف زرعت مرة لينك تنا تنستمع مرة انت تلي تنا تن تنبايلي تغالى قوان تتمر تنجن دي آه، ولا سنك تو تنزرك ما جدا نطرنا من تنا طرنا من تنا نزرنا مزرعة اللي كله قالنا تسا إيه، زن زن يبان آه، تزدك هذا يوم مرة لينك تتمر ثلاثة تميرة نستثمر دمر تصمت يتوتدو سمدوي تود مزلا ون ترغزن فول لنتو وربما نالا ترمت مرة ترنا تن بهل انت يدشي على كل زلا انتو اشتا ودما سايرين تد جم غدا ودما سام ورده انت دير تنش تجيك ترنا جني تو ترنا منتنا برارو متكنا دسنا ميدا غلكم وشارم yo turna mara tam muzalande qalullen sur burara mucukne de mara tun wartin qalna shida mara tiba ala musharande lantu sitar to qala tampali te mara ala kullu tushulen turna tampali mannet yara musharande mucukne turna mara tan tirisinta ala washarni yulan da tanzarat da sirbaran dulia maratan da stomatan da torna fashara ta wuni ilsar gastrik wuni wuni qadulia salakun washar ne juli تفكر أن تملا مقاش توقوا سمع لا نتورنا ونتنا غربا رارا نتنا غرا غلاك ومشارنا يو تورنا ونتنا لا جو جو سدين ورقة رودي شاء الله جغرا مقال مرة تورنا تمزلن دي غربر غربرارا لن تنسحت وش مكان بار مسا ورغا وليم لن تنسحت وش مكان عيد توفينا نمبر تنتقن دغيوا المثال براروا ومدرا جسام مسمد لدى ولا الظلمودا اللي تو أرسنا ملتزالة رماد فاسيف أما قالوا سمع يا رغيوا أما قالوا يقالس يوم كشبرا كجبرا لنتن تاروا شم مكان نمبر تنتقو رغوا تزال يقال بزير مريم قايز جيم ولا ولا كترو ولا نقال نستنفاس ولا بسيروتم ولا جات من اعتزال الجنة وي أن تغمغ اللي بنا تغرغو تيرس دين كيرن تدا أن تقنوي أرتاس نمالي سيرو تغرغو تلا السكنة تلا مانت تلا جسمنت تسانو وقاش كنا كله تسع سجري ما سنم مكواش طواقنو لا لا ولا حوري يطون كله تمطر تسع مكاش كنو كله مكاش كنو اما قال وان نمزلا وان وان لهم دينكن دينكن تاري وات يمر لا لا غلق مش سرن تيدا يمقلهم لانتو نمزلا نلن ديدا ساعة ما قررت نفرن كيم قلن تيدا لانتو على قررت نقل يمقلن تيني دي ونر دغ مثلا ودغ باراستامول لانتو انتي بتيكن دغ غلق كنت دكتوري دي دمكسلين مر لانتو دمقلا مثلا كد بلون تزين دي توفن دا دنيدا فالموزلا فالبارا سنور السوق مرة سر تورنا تنزرات وغالك مشر ننتهي لقردوان يمقلا مصنع دو يدرك سد اللي منهم الدسمتي دين مرة برارن برارنگرونزنگ اسيرو ارتو قلم برار مجكنا تونا تمبالي نلا كورتم تسمى الارتمتر المفنترين اما قالوا ويرت لنغني جرى مرة موزل دار قرون قرموس برارن تعلق موسى ان كل جي مقالي عند قرون وقلم تونا تمبالي دي تو تنصرك مجد دور انطرنا ونتنا المثال كان مزلا مزلا وني قالوا لقوان تم تنصر لولي ولي تنتين لقلم المزانة تجرقا شتر تاقلا وصرنا تندتير سدي دي نستمت عندي كله لقي من رغت تت نقدا تورق انه تتر يعني شهدا انت جيت يعني بان صوت دي هاتنا كمار دين كان طرنا تان تاني دي تندشي انت تي تموسان دشي دا جيت يعني غلق غلق قصندي اشوف تجي نقول لي آه، كله ريبا زين ilshiinzaar intanaxala karamort taqanasengeta arto intala jitaweon tornawa intalitinirsidi yo minanka halag ta tagimasana sexatan timalamasana arto ay furgana jelkam kentu maxutaras dasur taqanasengeta meda hashil urzas diga لا أظن كل يوز لو صندق على كن كن نزحت كل نتافع أرتو قلم استزدك أرتو قلم استهتة أرتو كل نسخ غير نسخ على دنكرن فيلا صور المثال ورنق شنقي قلت بالي الرالي ونزع ونغود غاما قال بالي تينا قلان شنجا زقر توي استنتقن ساعدهم كله نكدا مرتقر المثال شاعت ادلاش نسمقنو وانا سنتقص غور اتوقع نص سودا روان تاشما اتجين كان صندوق التزرق كله كما صارت شاع شوري دا انتاس ارتوني كله لا لا سيسايون تاجين تنمر نمقر اغرى على سلوس لانقر لا تنمرت Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi 17 octobre 2023. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu à travers les ondes de nos radios partenaires. Cette fois-ci, nous allons vous faire écouter un grand classique nigérien. Il s'agit de Fatimata Bidani de Djado Je vous propose un extrait. don du gorba dikki binni ma a tar zama ni ga yaru tare yi kulu bainiya kan go wai ce. mata ka ikiya ga kuna yi mara abin da ga salam don du gorba dikka ku arkari mu fatima ta bai dadi simmi ingan da don du gorba dikka da karfo kalfo yan tunga mai hankan borga ba mu zai kan ni kuna ci nan maye kirkoi makan diya ni man mai da ni ma kirkoi fi kan diya gorba dikka don mu no ka ga salma ga karimu ini kera fo kana koyen ban ana se dondu gorba dikka dondu gorba dikka ana se na ane ni wo kan ayi go iri kwara sorro margini koyi do gane ni ga ba yi hiji dondu gorba dikka nayi wo sai kin sorro me bai aran kwara son ku zari kai moyi gidi Il n'est plus à présenter Djadosekou, Sekou, ce griot nigérien né dans le village de Gomno, dans la région de Hamdallah. Ses récits épiques, Fatmata Bidani, Boubou Ardugalo, Amale Gorbe Diko, et bien d'autres sont vraiment un délice pour l'oreille, n'est-ce pas Rekia En effet, Fanta, ces titres que nous écoutons, Fatimata Bidari parle d'une femme dans un village nommé Simbiri. Se trouve Fatimata Bidari, une femme d'une beauté de fait. Tous les guerriers n'ont d'eux que pour elle, mais elle ne s'intéresse qu'à euh, à aucun d'entre eux. À la même époque, euh, toujours dans la cité d'Issa, se trouve un prince euh, possédant un, chien qui s'infiltre dans le marché pour dévorer tout ce qu'il trouve sur son chemin, sans que personne n'ose réagir par peur de dépression des représailles. Et c'est à ces chiens que la mère de la belle Fatma Bidani va asséner un coup de bâton pour avoir mis sa gueule dans l'une de ses tasses de beurre qu'elle est venue vendre au marché. La conséquence ne se fait pas attendre comme il fallait s'y attendre. La mère de Fatmata Bidani reçoit une correction sévère. Elle est publiquement rasée et rouée de coups de fouet par le prince qui lui dit par-dessus tout d'aller se plaindre dans les cieux pour se venger offisqué n'y ni père, ni frère, ni soeur pour laver l'affront subi par sa mère. Fatoumata Vidani lance un appel à tous ses prétendants en s'offrant un mariage à tout guerrier qui accepterait de porter une guerre contre ça, alors même qu'il est admis à tous, de tous que cette, que cette cité est une forteresse imprenable. ngai wo bena ba songo de bena te parara kuni gine keja aruwa na borai asta bi so ki mu bakar bakar da bakar jaga karfo karfo yan ban ana bakar bakar ana na ana kan ai go simbiri iri kwara ke ni wo koi gine ni ba yi gine bakar gana sai kim sorro me baran fatu sun ku zari kai nan kai dan fo ne sin kinamun gara so ne gidi da korbai zo dai dai mura dai gogo buwai kan gaba kai ne ga nan ku ya gara ga sallama ko na ni ane ta ban kuna ai ga ka ni kwara kai ka mu mai hiji kan layi. amma kan ni ga hije hije ban doka ki sabon kono dinga izaro kari mu har bakar giya na har hanga ga masan na mafata ya har wani wura hadi ga sun gai kalgin da mai tak agogo ba ga yola har kan fun ga hamura kan bina buru kan bi eh ho anase fatumata ta anase ane mai suru handu wai kindi fo bor koi sa taribun har ya sola o oh. anase bakari bakari ana ane ni man ba wo mun mun ba woy bor sindu kuri kani sindu kuri kani ni de hiyay tan ay hiyay tan a hiyay bismodi hiyay gono koy jaro hiyay gogo koy idi gadira idi gadira kali kaga salam amala sayni ga koy kwara amala sayni ga koy battagal bawdi ko ko da nyaari chers auditeurs, c'était un extrait de Fatoumata Bidani de Djado Sekou. Parlons encore santé, cette fois-ci dans notre reportage région. Nous allons voir combien il est important d'éviter les accouchements à domicile. Les agents de santé recommandent aux femmes enceintes de, de consulter régulièrement dans le centre de santé pour éviter des situations qui pourraient être fatales à la mère, à l'enfant ou même aux deux. Reportage de Tila Amadou. Lokacin da mace ta aihuwar gida ana iya samun jariri ya zo a juye lamarin da ke kawo matsala ga jariri kuma uwa ma tana iya samun matsala ga lafiyar jikinta kamar zubar jini, hawan jini lamarin da ke kaiwa ga mutuwar uwa da jariri. Sai dai a 'yan watannin ga haifuwar gida ta komo in ji rakiya aji ungozo mace a karamar likitar haifuwa da ke birnin Agades bayan ta tabbatarwa da studio Kalangu gaskiyar lamarin ta kara da faɗin hatsarin haihuwar gida. Ko cikin Oktobar kin ga me mace uku aka kama na yara ga roba sun aifi gida ita guda sai da matar zo aka ce na kuɗa ce take yi ta zamna ta ce ma uwarta ita yanzu ba ta jin ciwo su koma suka koma sai riga su sun komo da yaro cikin roba kenan in kin zo likita ya ce miki na kuɗa ce ki zamna kenan ki zamna bai kamata ki koma gida ba saboda su ba su gane haifuwar gida hatsari ce kin gani mace in ta zub da jinin nan da yawa kan a samu ma a kai ta je kawo matsala ne tunda nan sai an mata komi da komi to wata kan akai dai ka umma ta mutu cikin ambulance kuma yaro shi ma kin ga yana cikin hatsari saboda ba a sani shi ma yara yin ko yabi uwa wani kuma bin uwan ma yake yi ba a samu duka uwa da da kenan mata su rika ganewa da abu guda mace in kin ji ciwo ko ma ba na nakuda bane kina da ciki ki zo likita saboda likitoci su suka san abin da suka yi su suke sani in san auna ki ga abin da kike ciki ga wanda baki ciki in na tsayawa ne wurin su su muku maganin su tsaida kunu in ba na tsayawa bane suna cika takardu su kiro ambulance ta kai su je kawo akala luma matsayinta na jagoran mata kuma kaka kira ta ga mata na su guji haihuwar gida saboda hatsarinta da ke kai ga asarar ran uwa da ɗanta na fi ka zo likita ka haifi ya fi muhimmanci da haifuwar gida ba ta da daɗi ka je wata sa'a ka ƙaru ko ɗa ya zo yana walwale ba a san wadda za a yi a fidda cibiya wani yaron kuma allah na halitto shi cikin rigashi ba a san wadda za a yi a fidda rigan nan a so ki je ke hatsari ya same ki kan a na likita ɗaya sha wuya ke kin sha wuya kuma akwai waɗansu suna gauga su ce bari mu yanke cibi to ita rezan nan ba a san tana da kyau ko ba ta da kyawu kuma sai a je ki haifu ko ga ƙasa yan saka ya waye ka zo likita adiba ka a gani ya yi muhimmanci da kai haifuwar gida likitocin dai sun bayyana cewa haihuwa a asibiti ita ce mafi aminci da kuma lafiya inda bayyanai suka nuna cewa ita ce zaɓin kusan yawancin mata amma sai da waye kai na mata kan wannan batu in ji madan bilal madina likitan mata a agades muna nan ne dare da rana ko akwai aiki ko babu aiki akwai masu nan wanda suke aiki tukur saboda su musu aiki kenan kuma lahiya sai a likita a gida ba a zanna a aihu a ce a samu lahiya saboda akwai matsaloli da yawa za su faru a gida ba a magance su. Hadiza Salisu na ɗaya daga cikin matan da suka haifu gida ta faɗa ma studio Kalangu yadda ta ji a lokacin da ta haihu gida. Na yi aihuwa cikin gida amma ban ji daɗin aihuwa saboda na ji a galabalce. Ni da kaina ban ji daɗi ba gaskiya yadda wahala dai an sha ta iya matuka. mai abin da ya sa da na je likita da farin aka ce in zauna to sai wadda muke ta ce kawai mu tafi gida muna tahowa kuma dai sai Allah ya kawo ta nan gida kuma da aka yi ta dai an sha wuya dai iya bakin gwalgwado Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et tout de suite, la page sport avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hasumi Karimou. Bonjour Guruza. Bonjour. Fanta, bonjour euh, Rekia. Bonjour Guruza. Alors Guruza, nous allons d'abord à Dosso pour voir comment se porte le football dans cette localité du Niger. Oui, la Ligue régionale de foot euh, de Dosso est le répondant de la Fédération nigérienne de football euh, dans la région. Outre les compétitions nationales, la Ligue est habilitée d'ailleurs à faire ses, propres activités dans le cadre de la promotion du football euh, dans cette région. Et selon le président de la Ligue régionale du Dosso, la cité de Jarmakoy a huit clubs affiliés à la fédération et une seule équipe à la Super League, Tagour Provincial FC. Deux clubs en Ligue nationale, Entente Football de Dosso, National de Dandi. Cinq clubs en Ligue régionale Falma FC, Bobo FC, Toubal FC, Maraba FC et Arewa de Douchi. Actuellement, la Ligue se prépare pour entamer les compétitions nationales, mais les difficultés ne manquent pas, explique Abdul, Abdou Boubakar, président Ligue régionale de Dosso, au micro de Salamot Kadri. Au niveau de la Ligue, il y a des difficultés. Parce que vous faites, le football euh, est une activité sportive qui demande beaucoup de moyens. Or, à Dosso, euh, quand vous prenez les huit clubs, vraiment leur problème crucial, le numéro un, c'est le problème de moyens. Vous savez, la FENIFOOT elle-même n'a pas de sponsors et euh, ces clubs-là manquent vraiment aussi de sponsors. Généralement, la seule source le financement de ces clubs-là, c'est les dirigeants. De ces... Généralement, c'est le président, à la limite, une ou deux autres personnes qui sont derrière eux. Et vraiment, une ou deux personnes ne peuvent pas euh, financer convenablement une équipe de football. Le deuxième problème, c'est le problème d'infrastructure. En dehors de la commune urbaine de Dosso, où nous avons le stade euh, régional qui, où il y a la pelouse synthétique, en tout cas, dans nos départements, il y a des clubs de football, mais on n'a pas de terrain homologué. Par exemple, euh, le national d'Andy qui vient d'accéder à la Ligue nationale sera obligé de venir jouer ses neuf matchs à Dosso. Cette équipe n'aura pas l'occasion d'évoluer devant son propre public. C'est un problème. Aujourd'hui, euh, les jeunes sont plutôt attirés par le matériel il y a quelques années, on jouait pour le plaisir, euh, pour se défouler, mais aujourd'hui, avons euh, gagne tonka. Tant qu'il n'a pas ce tonka, ce piment, là, de l'argent, euh, souvent il ne joue pas. Ah oui, euh, souvent les jeunes ne jouent pas. Ils disent Tonka. Tonka, c'est l'argent. Hein. Ah ah. Notons que Dosso était à l'époque un des réservoirs du football nigérien, car si on se rappelle euh, du MENA, du Djagondi, Lawandidi, ou de Navajo, dans les années 1980, <laughs> le gardien de l'époque nationale, Abdou Amalka de Dosso, a fait la fierté de cette équipe nationale. Merci Grouzaï, bonne journée à vous. Euh, merci beaucoup. Chers auditeurs, il est temps à présent de découvrir notre étoile du jour. Fanta, tu nous présentes qui ce matin il s'appelle Hassan Soumana Hamma. Il est natif de Karegourou dans la commune de Bitinkoji. Il est diplômé en informatique. Il s'est converti en coiffeur. Il vend également des téléphones portables. Notre reporter Omar Hamma est, est parti à sa rencontre. On les écoute. Je fais la coiffure. Et ça n'empêche pas, je fais certaines activités comme vendre des téléphones portables et j'embrasse beaucoup les métiers encore. Quand est-ce que tu as commencé ce métier J'ai commencé ce métier en 2012 avec un oncle appelé Ibrahim Sambou. J'ai appris au niveau de lui et puis un temps, on s'est disputé, on ne s'est pas bien entendu et j'ai abandonné. Aller ouvrir ma propre atelier. Et grâce à l'atelier, Alhamdulillah. Et pourquoi vous avez embrassé ce métier de coiffure Parce que j'avais tellement envie de le faire depuis. D'abord, ça m'avait plus de faire la coiffure. Il y a le bénéfice dedans et puis compte tenu de ça, ça permet à être ouvert envers tout le monde aussi. Avec ce métier, est-ce que tu as eu à réaliser quelque chose J'ai réalisé beaucoup de choses. Je me suis marié dedans. J'ai payé des motos dans ce métier. Dans toute activité, l'homme ne manquerait pas de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier Les difficultés dont je rencontre dans ce métier, vous savez, quand toutefois on est là travailler dans notre village, euh, des fois il y a les gens qui manquent de respect et il y a les gens qui vont toutefois vous aimer à cause de votre travail. Certains vont venir se coiffer, dire que c'est pas bon. Certains vont se coiffer sans autant payer. Certains aussi sont contents de votre travail. Et des fois, il y a le problème d'électricité. Seulement, c'est la coupure. Dans la journée, tu peux en avoir 10. Il y aura 5 qui vont payer, 5 qui ne vont pas payer. Des fois, c'est comme ça. Il faut être gentil dans ton travail. Hassan, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la jeunesse J'ai un appel à donner à la jeunesse. Ils n'ont qu'à se battre. Le métier demain, ça tient beaucoup. Il y a plusieurs sortes de travail. La mécanique, il y a la coiffure, il y a plusieurs sortes de travail à faire pour ne pas être en chômage. Moi, je veux dire Alhamdulillah, grâce à la coiffure, j'amène ma vie comme ça me convient, sans autant tendre la main auprès de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas juste baser parce que tu es un élève, tu as le BPC ou bien tu as le bac, espérer avoir du travail, faire le métier. Vraiment, c'est plus rassurant que de venir être en chômage et puis baser sur euh, chaque fin du mois. Parce que de nos jours maintenant, c'est le business qui donne.

maimuna barka da kokari abinda da ki ba ni na taimako ya mai ba muruwa tanta bara mai kawo da ado ya shagali ba ta gasuwa abin ya sa za ni salo kowa ki saurara shi jiya mata ku saurara ku jiya laraba ke zan yi maki shiya maza ku saurara ku jiya lokacin salati an kai ni don haka ɗai ni masalo da tukura da turawa da turi ba tukura ba ture sun ka hito na zo kabi na iska ba kaba na zo kabi na iska ba kaba na isko kambarawa ba kwa wata kan kaba sun babbake baka ba ba ba shi nan zamanin da dawa ta yadala can isha adda cikin dawa tana da badawa ga damuna zamanin da dawa damo ya ɗauki ba yabba makodiya ta dake me an kai tuni wai dan ta tona dan ta tuka talgi tana tuwo nan tuna ya zo ga tuni sani ga tuna shi na tu. sarki aiki da wuya koyo ya dubite hamadi ko da ya matala in ga dadan sosai kun san saboda zahar gurmiyata Allah na ki mahici na nutsan ba inda kiɗi da yin waƙa na ai ban kai gaban maiya ba amma kun san da mai gudu da mai sassaka duk gari guda na za a tilas zaman gira ga idanu dan ko ba ka santa ba ka cire ta Allah zama da kishiya tilas ne wa ba don uwar gida na so ba jima'a an ki be an so bube har yau da buru bakar muke tare yaro bai san halin Allah ba sai bai da irin na ba shi da baba a'a ah, ah, yau ina na zamu idan Allah mai kiɗi na so ka cire ma algadanga ban ji kalar guna ta hiya ba ko ba kula rakiya na Fanta, avant d'allaiter, il est recommandé de bien laver ses mains à l'eau et au savon. Et c'est c'est ce qui nous rappelle le loti de ce matin, n'est-ce pas Bien sûr, Rekia, il est important de répéter ces gestes avant chaque tétée pour éviter certaines maladies aux nourrissons, car elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leur bébé au sein. Et ça tombe bien, la journée mondiale du lavage des mains, c'était le dimanche passé, et une journée spéciale pour la pratique pour montrer son importance. Écoutons Samira Rouafi et moi-même sur ce sujet.

ibuno goga he ya ci ne a sinda ni no wallahi a ni samai harai dai na goma to an wayan dimi fano ni goga batu ni bai kan asiburi ibnan zanka goga he ya ci ne ga genta ne ya kiniga wallahi ga bai coro to a suran dimi. wadin dai ne ga bai ai ma zuman da dai bando waga gagayi ingino tikati yan wo kan ga goma zai in tonka da mai zai ga hmm. zarmai no gani gunda kan ga go asima asidi hmm.

ifo sai gai kan banyi mu zama dori fo yamma si duga di sai mm, so bun boni gina sai mti haifo ha'a in mun tono dingina berai ko gabore yamar kan borai mu haggoi da hananiya zama a gabori no kwakiya ga ba no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau a mahima bor mu zama a ga kura hau bar mai chogo zeni chimfa difo koyni koyne mu igba mu bor mu goy da fafa gara kan su suciyen ni fafa yi sidu ga kanse yadin mu no ni min mu sor za hani zora aha hayo kan go ce se mu ya no ni man tonton haikulu Hmm. wani ce da kan wani si ba kwai nisi yan wado wala shawara yan noki gino wai borai kan ga nanan disi ni bai kan loktor kwar borai Igi borai lakala chandi. kan ima hagwai da hananiya zama zankawo a ga targa dori dino delu wallahi sabin sai kan ne fongan da wani yankuli ne bai ibu zan kano kan ga hegumu masha Allah da sin tinga katimu hay kul gano ne ga dinya ai sabu gumgumu ga fa kare son wakai zama doga dangai ni wani himin gwaibar mai mai boda no <laughs> ha man ti mai yan sanni no ani ga chor loktora din bai mi ado dai nay du haye wo kulu Kwai ne mo man ya mono inda yi kai wat kulir go char bande ga don nan da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hay bobu ki Lati si ba mu raye insha Allah wa ikara hani zo wa ai kudu dama dindu ga haya wo sola mai gwangi tontoni to bir kwai mirke ba du jour est Alliance. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Maman Ada. Bonjour, Ada. Bonjour euh, Fanta, bonjour Kiarimi. Bonjour. Oui, le mot alliance, euh, par définition, est une union des choses de nature différente euh, ou un accord intervenant entre les pays des personnes. Par exemple, les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont signé une alliance militaire dénommée l'Alliance des États du Sahel qui a pour objectif d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. To ada da yaran Hausa kuma fa? A tuda da yaran Hausa Alliance dai na nufin wata kungiya, wata haɗaka, wata yarda tsakanin ƙasashe ko tsakanin mutane ko kuma tsakanin ma a ce ma'aurata ta da wannan zobe da ake Alliance. <laughs> To mun gode sosai Adam. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez d'autres mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en Hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter le message de nos auditeurs recueillis en région par nos reporters. studio shak samedi shirin da ake na tus alafada shi wannan saboda ina jin daɗi ne ana tattaunawa da matasa kuma ko ne yana waɗin matsalolin shi ina jin daɗin sauraron wannan shiri kumbancin wannan shiri da ake yi akwai shirye-shirye da dama wanda suke yi wanda shakujon ne wanda yake farawa daga onzer zuwa midi kuma da marisa suna fara daga 17 zuwa 18 ina kasancewa tare da su ɗari bisa ɗari a kowane lokaci to daga farko dai ina gaida duka animatar na radio dalol fm musamman zuwa ga aliyu bawa saboda shi ya ɗauki wanga nauyi namu shine ya samu ka kasance a tare da studio kalangu don duk abin da ya tashi in dai kan harka studio da kalangu ne don muna tare da su yana kiran mu sannan akwai tonton ina aliyu mai rijiya ya kasance shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata na radio dalol akwai babana ɗan galmi da ke matankari akwai shi ma dai babana kusu saboda shi ne ina gaida su kuma ina musu fata alkhairi sunana mustapha to ni dai na a kai shi ne studio kalangu abu ne dai wanda zai za a cewa dai masha allahu abun yana birge ni saboda yana ka ci gaban ƙasa da harkoki dai ana ayyuka alheri eh to cikin abokanai ina gaida abokaina na nan wa'anda muke zauna fara yan uwana hakan ga kai kowa da kowa ne ai ma kiti garba adamu kuru sakau kan sigi ne wasila baba koi gurno igo koi gur habu atinin habu habu gongo atinin nika ki ganne dos komino ha i sabu de kango kan nika kete ki ha radio kalangu al albahara yi matka igo gama da wala igo gama ra go kanise awaran mo kan ti radio kalangu journaliste kan gogo di kuwin di kala bara sambu irko maran bana irko tatuwar kalamar radio kalangu koi de jina o ngara kai gitaran se no banza irmogoi a bisa gwarai yamo matunga dan kabi masamuni muniyafo ga kaba irkoi ga madani se kambe makwai gace ci gwaigwai gadu Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Au micro, c'était Fanta Chamsou et Rekia Arimi. À la technique, Seine Isaka et à l'édition, Rila Toussoumana et Khadija Isaka. Ciao, ciao.